cette marche aujourd'hui montre encore une fois la détermination des enseignants, leur engagement à faire aboutir leurs revendications. Nous exigeons du gouvernement du Sénégal aujourd'hui la matérialisation de l'accord sur l'alignement de l'indemnité de logement qui est une revendication essentielle qui pose un problème d'équité et de justice sociale. La proposition faite par le gouvernement du Premier ministre Boun Abdallah John montre encore une fois que ce gouvernement n'a pas d'ambition pour l'école, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de programme pour l'école sénégalaise. Nous voulons dire au président Macky Sall qu'on ne peut pas avoir un pays émergent un pays développé si on a des enseignants démotivés, démoralisés, disqualifiés, si on a un système éducatif en lambeaux. C'est pourquoi ici à Thiès, dans cette ville mythique, il y a à peu près un demi-siècle, les cheminots se sont battus pour les mêmes raisons, l'injustice et le traitement inégal des agents de la régie des chemins de fer. Le Tissems, e aujourd'hui voudrait être les dignes héritiers, héritiers de ces grévistes de ces cheminots qui ont mené un combat héroïque. Alors nous demandons au gouvernement, pour l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, pour permettre aux élèves de retourner dans les salles de classe, pour permettre aux enseignants de reprendre les enseignements, de comprendre qu'aujourd'hui, la question la plus cruciale, c'est la question de l'école. Et je voudrais ici également interpeller tous les acteurs politiques qu'ils nous disent, pouvoir comme opposition, quel est leur programme pour l'école je voudrais lancer un appel à tous les acteurs du système éducatif qu'aujourd'hui le pays est en crise. Parce que quand l'école est bloquée, tout est bloqué. Ils doivent aujourd'hui se prononcer clairement sur la crise. Maintenant, nous sommes dans un régime présidentiel. La balle est dans le camp du président Macky Sall, qui règle la question de l'alignement, qu'il respecte les accords signés, entre autres accords la délivrance de tous les actes en souffrance au niveau du ministère de la fonction publique, du renouveau du service public et de la rationalisation des effectifs, mais aussi la formation diplômante de tous les professeurs titulaires de diplômes spéciaux, le paiement des prêts d'MC pour ceux qui ont leur convention de prêt, la livraison de toutes les parcelles promises aux enseignants, surtout aux QSEMS, e les parcelles non viabilisées, le paiement de tous les rappels, les rappels d'intégration, de validation, les rappels d'avancement. Et nous disons également au président Macky Sall que s'il veut sauver le Sénégal, sauver l'école sénégalaise, il peut le faire aujourd'hui en respectant les accords, mais surtout en matérialisant l'accord sur l'alignement de l'indemnité de logement. Et je voudrais dire aux parents d'élèves qu'aujourd'hui, le monde nous a donné raison en voulant maquiller la réalité au CM de Anne Belair, un enfant, j'allais dire un enfant, a rétabli la vérité des faits. C'est l'image du Sénégal qui est écornée, c'est l'image du Sénégal qui est ternie, parce que à qui faire confiance dans ce pays et c'est pourquoi nous demandons également que la lumière soit faite sur cette question. Comme on a sanctionné les élèves maîtres quand il y a eu la fraude, on a sanctionné ceux qui sont à l'origine de la fuite du bac, on doit de même sanctionner ceux qui ont terni l'image de notre pays, l'image du système éducatif. Et ils doivent avoir l'honnêteté, la dignité et le courage de rendre le tablier. Euh, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'après Thiès, ce sera Dakar, ensuite les autres régions, les autres départements. Nous allons marcher comme l'a fait Martin Luther King après que Martin, Rosa Parks en 1955 et refusé de céder son siège à un blanc. Nous allons marcher et la marche prendra le temps, nécessaire. Nous allons nous mobiliser pour la réalisation, pour la matérialisation de nos enfants. allons un signal fort au président Macky pour lui dire que l'éducation est une obligation. Mais c'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement refuse de satisfaire la question de l'alignement de l'indemnité de logement. Si le président Macky Sall peut donner 2 millions de dollars pour la reconstruction de fonds, si on peut offrir 500 000 aux épouses des ambassadeurs, si on peut créer des institutions budgétivores, on doit pouvoir régler le problème de l'école. Parce que l'école est au cœur du développement. L'école est au cœur de l'émergence. On ne peut pas avoir un pays émergent, un pays développé si on a un système éducatif en défaillance, en déliquescence. Du content mobilisation. Sénégal yëpp ñu mobilisation bi c'est historique Quel mësu ko gis war na wane que président Macky Sall war na taxaw fajj mbirum jangami fajj ko pour Sénégal fajj ko pour élèves yi faj ko pour parents yi faj ko pour jangali kat parce que rew mënu la suqaliku bu jangami baxul rew baaxul mënu la jëm kanam bu dee kat yi kontaan réew mënu la avancer bu dee kat yi seen payoor baaxul lan la ñuy laaj waxuñu dara dañu né nguur gi gor ca wax ja accord yu mu signé na ko respecté alignement indemnité de logement dañu ne tey nguur gi mënut a wax amul xaalis ndax kuy mën a maye deux millions de dollars bala ngay saraxé fay say bor yow ya nga am ay bor fayoo ko nga jël 2 millions may ko di wax ni Sénégal rek mo joxé 2 millions de dollars ci fonds de reconstruction pour le financement de l'éducation Côte d'Ivoire ça defu ko te dëkk yoy tay gis nañu jangalé kat ci sen payor lu mu mel benen bi moy alignement way jangalé kat bi 75 pour cent mu ngi koy def kërëm kon nak ko wara am am way bu baax rawatina jàngalekat bi moo tax tey jàngalekat yi ni alignement duñ ko négocier luñ leen jox nak junni ak ñaar témèr day wane ni amuñu ambition pour école amuñu programme pour école école du une priorité ndax ku xalaat jàngalekat jox leen junni ak ñaar président Macky Sall xamul fuy metti bu xamoon fuy metti du jox junni ak ñaar téeméer jàngalekat ñi ñi parents d'élèves yi fii ci Thiès nous pour wax accords yi pour voir alignement indemnité logement matérialiser parce que nous nangu nous ñuy nous amaas nous nawle nous ñuy jox ay nous ñuy fay impôt te gaay bëgg ñu tuutal bëgg ñu dëggate duñ ko nangu loolu moo tax nag ñu ne buñ jógee Thiès danañu dox Dakar danañu dox ci capital régional yi yëpp capital départemental yëpp danañu wax ak kilifa yi yëpp danañ wax ak parents d'élèves yëpp danañ wax ak acteurs yëpp pour wax leen président Macky moom mooy président moom lañu fal pour régler le problème école ne pas régler Nous ñu ngi lancé appel acteurs politiques yépp ku né nak ñu wax programme pour l'école. loolu lañu xaar ci ñom quel est leur projet de société pour l'école? di wax président Macky Sall lu ñuy xaar ci président de la République wa APR farluñu ou à tel faluko Sénégal fal Sénégal tay mo taxaw nous. bëgg ñu defar jang bi ñu faj soxla jàngalekat yi ñu faj soxla élèves yi ñu jox payor bu baax yi mettre leen ci condition bu baax lolu buñ ko mi dana dana mucc ayib te lolu moy tax Sénégal jëm kanam. xex bi day wéy tay lay door tay lay door comme Lamine Gueye num ko faut faut que nous nit ñi xamee mais mobilisation bi ku ko dans un pays sérieux tey ci le président de la République palais jël ay mesures régler problème école ñun ce la nous xaar ci faire. am nañ avant président de que parce que Kati interpellé c'est Saourou Sène je suis le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire le SAEMS nous sommes là à Thiès pour marquer le début d'un processus celui qui consiste à faire respecter par le gouvernement du Sénégal les engagements pris devant les enseignants du Sénégal camarades nous ne sommes plus à une époque où les enseignants se contentent d'un métier dont on dit que c'est un métier de sacerdoce non le sacerdoce nous nourrit pas son nom. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que le gouvernement du Sénégal est obligé de rétablir un système de rémunération équitable dans la fonction publique sénégalaise. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. En attendant que le gouvernement puisse prendre toutes les mesures idoines pour qu'on arrive à un système de rémunération équitable, juste, mais il y a une possibilité de régler d'abord la question de l'immunité des enseignants. Cette question-là n'est pas négociable. Elles ne sont pas des sommes de 6 000 ou de 10 000, que les enseignants demandent. Le gouvernement n'a qu'à regarder sur le plan de l'indemnité de logement, tous les, niveaux de l'indemnité qu'il a accordé aux agents de même niveau diplôme que les enseignants pour qu'on apporte la, correctif, la correction nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui à Thiès. Et tant que cette situation ne changera pas, mais bien sûr l'école ne sera pas stable. Et l'école, si elle n'est pas stable, mais naturellement on ne pourrait pas avoir un système éducatif de qualité. À Thiès, à Sénégal ñëw fii tey ñu bëggoon wax rek à la presse du Sénégal que li nga xam ne moom la ñuy dox tey commencé ko Thiès mooy dañ bëgg ci fonction publique sénégalaise mu am yemale yemale boobu nag am na is étude boo xam ne def na wane na ne enseignants yi dañ leen bojji ci peyooru système euh, comment dirais fonction publique sénégalaise loolu nag pour ñu régler ko mais bien sûr que gouvernement bi def na étude bi nee na dafay laaj ñu jël le temps qu'il faut mais li nga xam ne mënutul xaar ci situation boobu mooy indemnité logement jàngalekat yi indemnité logement jàngalekat yi nag du ay 6000 ou ay 10 000 la ñuy yekkitil nañ ñu génneel indemnité de logement bu ñu jox ñëpp ñu xool li nga xam ne moom la jàngalekat yi mengo par rapport à leur diplôme ñu jox leen ko ñun ñaa laajuñu Sénégal lu dul yemale ci li nga xam ne liggéey bi nga xam ne agent fonction publique sénégalaise ñoom ñu ngi koy def.